C'est parti. Femme. Femme. Hey eh, yo, femme. Hey, femme. Source de la vie, femme sacrée. Qui est dans quel sacrifice. Ah uh Yes. Hey, j'ai voté pour toi depuis ma naissance. À ma connaissance, mon combat pour toi commence depuis que j'ai commencé à pleurer pour toi. Femme, tu es unique, vêtue de valeur publique, irremplaçable dans la vie. Dans le code pinbook de notre vie, tu es la seule capable de nous décoder. Femme, compagne de l'homme dans la complémentarité. Femme, celle qui englobe en elle toute l'humanité. Femme conçue pour être baromètre de la société. Femme, l'image au modèle du reflet de société. femme étant mère et zéra de notre première nature. Femme épouse zéra de notre seconde nature. Femme étant primitive de notre existence. la quintessence même de notre appartenance. Femme, ça sent incarner sa féminité en bonne séance. Hello. Propulse de repères judicieuses ainsi que de solides ressources. te yow fam bu ràññee boppam dundu fay dee fay mooy carte d'identité am noo def day fayeeku hey jokonjal rew we mais jokonjal rew we hey Sorano Sorano listen ëtt kër gi mooy seef ci làmb ji mooy tuus bàyyi ci xelkat yaa fuus du ko uuf pen du ko seetantal géej la jéeri la uh-huh. te yow li muy tegtal de ko xoolee nag itam bi muy tànnee ceebam tànn mu set teg ci nam en attendant dem na nampal doomam bañ mu xiif jooy teg tànk feccal ko tam-tam doom ba reetaan xol ba sedd neex na métti na du masa wàcc yoonam te yow biir say coono dundam sabab na walliwu doom bu baax bu ñuy tagg di raamal te yow héros chef lieutenant général bu ñuy toojal mama international. Mama is international. Mama is international. Sorano mama is international. Hey, famburanye bopam. boppam. Fambu ranye fai Dundu fay de fay moy carte Hey, no def de fai fayeku. No def de fai fayeku. Joko njal otewo opa. Joko njal otewo opa. Joko njala ya iboya. Joko njala ya iboya. Joko njala mama. Joko njala mama. Joko njala ya iboya. Yes. Mama is international. Mama is international. Mama is international. Où sont les femmes Où sont les femmes Yes, sir C'est ça notre point de départ par rapport à l'album intitulé Mission Show. Uh-huh. Quête de connaissance show Il y Di nga spectacle. spectacle, y a un jungle, Il y a un jungle. C'est ça uh-huh. notre but dans la musique. Yes. Le message est dans la musique. dans la musique. Yes, ça. Qui dit, les femmes, uh dit les enfants. Yeah. Qui dit les femmes, dit les enfants. Xam nañ ne tey jii nii xale yi temps bi nga xamante ne yaay booy koy passé ak ñoom du baay donc vous waxee femme rek da ngay directement ci les enfants. yes saay boo fa jógee aussi à la kulli à les enfants et dañu wàcc ci mbedd mi. Uh-huh. donc non, l'album album bi mom lañ leen di présenter physiquement gis. One Love fay Faye fay mo la koy yeah what's up. yes I enfant Innocent, Innocent yes. Yo enfant. droit de l'enfant. Hey a Sakur c'est le train de la vie. uh boy na nga n'anga na nga man. enfant innocente. Uh-huh. Chico, Chico. Come on. Inoffensif. Chico, Chico. Yes. Chico, uh-huh. Chico. Come on. Chico. Enfant innocent. Inoffensif. Come on. Chico, Chico, Chico. Yo, éduquons, assistons nos enfants au monde sans droit de l'enfant n'est qu'un avenir sans issue. Un passé déçu, l'avenir est simple, le passé nous retient étape par étape. Prenons les avant-gardes afin d'éviter nos mises en garde. Enfant est égal vie. Enfant est égal vie. Bye Votons tous pour lui. C'est l'avenir de la vie. Yo bàyyi si xel bàyyi ci xel bàyyi ci xel sinon demain les inconscients vont gouverner loolu dañ ko bañ yes I uh, hello come on qui Sakour Kia Sakour aha yes uh, come on de l'enfant innocent come on Chico. Facile. dire yeah yeah yes uh. te mooy dëgg grand. Hein? Qui Kia Sakur. Yes, yeah. come on, man. Ils ont droit à la vie. Droit à la, vie. Droit au bonheur. Droit, droit au bonheur. bonheur. Droit à l'éducation. La sécurité. Come yeah. on. Oh, l'enfant. Uh -huh. C'est le uh-huh. train de la vie. C'est le train de la vie. Yes, I. Le quotidien. Uh -huh. Come on. soigné. Tout le yes. waaw. yow da nga yiir. ak nu mënti demee nag. mooy avenir u demee. yes. yaa. all right. xale mooy avenir u demee. Ah. gone fonkal mooy dooni ponkal. lu wér. yàlla dénk na la yar ko yiir ko. Moy mag suba ya garab yow ya koy ajji ya iya. iya du deug garab bi ngay sukkat bu magge ya koy aji. kon fonku ko ëmbal ko ay suturam ëllëg mo la koy ëmbal tax ñu nawloo la say bir nawle tout tank du ay tiaxan defal kemt lay katan bañ mu yes i one love come on inoffensive chico chico chico yes oh, enfant innocent. Hein? Yes? Forcive. Come on, come on, come on. Yes. Merci beaucoup. Uh-huh. xale dañ koy tànnal entourage am. ngir bu màggee don tànneef ci bir gars uh-huh. Yes. yes. est-ce que cool les gars. est-ce que moi ngi cool gars Je yéen a ngi dégg message bi. loolu rek moo ñu fi tax a le message que le message passe. Où sont les champions Où sont nos champions